époque euh, ren dañu un événement bu ñu beaucoup de mooy circoncision événement commence na depuis 21 juillet 21 euh, juillet 2023 et sortie bi est prévu pour le 19 septembre prochain donc euh, événement boo xam regrouper milliers regrouper milliers milliers jeunes initiés parce que dernier événement ci circonscription ci c'est depuis 1986 donc euh, de 86 jusqu'à aujourd'hui on a des ah, am des milliers milliers initiés nous sommes pour cette sortie 19 septembre prochain événement bobo lagina a des moyens euh, financiers matériels bari bari bari bari parce que non seulement nous euh, sommes préparés pour initier pour ñu jeex leen lakk mais ñoo xam ne population département Oussouye région de Ziguinchor yëpp dañu ñëw foofu donc euh, loolu moo euh, souvent boo événement boobu bu amee souvent état day jàppale parce que population ñoom kese mënu mënuñu ko def donc euh, Loulou Mota, bon encore une fois de plus nous ngi l'autorité euh, euh, autorité de ce pays là surtout monsieur le président de la république pour vraiment la population et événement bi surtout que on sait que chaque événement boumel comme lolo dans Ziguinchor ci région à chaque fois président de la république day mais ren ministre ministre de la culture et Nyaneni mais moi, euh, personnellement gisuñu encore euh, lo xamné ci président de la République Et euh, je sais que bala le 19 je sais que président day réagir parce que ma compter si généreux parce qu'à chaque fois mon koy ONG ñu bari dañu amna ñu euh, c'est l'occasion pour moi de remercier en tant que maire de la commune de saint manjac alors donc euh, fekk ne am na recevoir ay euh, demande de soutien et ba réagir Nous ngi leen pour au moins nous réagir comme ça nous on pourra faire face à sortie bi. a ah, besoin vraiment de barina parce que boo les 2000 nits dans les euh, petit déjeuner déjeuner dîner pendant deux mois nous dépassé dépassé même 30 millions lolo mota vraiment euh, ça demande énormément de moyens lolo mota souvent nous demander à